Salam bonjour à tous. Euh, là, nous sommes dans le dernier puits au niveau euh, de la Casamance. Euh, le puits, il, il, est au nom de Mariam et Wissam. C'est une famille qui a financé ça. C'était vers les premiers, en plus, euh, de vie. Ils ont été très réactifs par rapport à ce qu'on avait euh, fait lors du dîner. On a reçu une réponse euh, vite fait. Ils ont commencé bien sûr la construction du puits vers le mois de juin. Vu qu'ils ont une zone euh, où ils ont beaucoup de pluie, et eh ben l'eau elle est vraiment très très bien montée. Ça veut dire que là le puits il est, il est à peu près à 9 mètres. Nous on est très contents, il fait vraiment très très chaud. Ça fait grave du bien. Je pense qu'en France il doit faire très très froid. Et je pense qu'on va rentrer, il va faire très très froid aussi. En tout cas, on remercie euh, comme d'habitude l'association qui nous accompagne, Sakuyu. Ce sont vraiment euh, de très bonnes personnes euh, qui prennent soin de nous en tout cas. ils nous accompagnent bien sûr par rapport à tous nos projets. Et franchement, c'est un travail, c'est un travail d'homme et c'est un travail de femme. En tout cas, on les remercie par rapport à ça. Avant tout, d'abord, nous remercions cette association qui a financé ce projet il nous a trouvés dans une zone tellement loin du, euh, Sénégal, où il a Ziguinchor, tellement éloigné. Ils sont venus depuis, Dakar jusqu'à ici. Euh, ce projet qui s'appelle euh, vraiment nous sommes tellement contents. Et aussi, je pense qu'ils devraient trouver ici beaucoup de monde, mais avec euh, la prière du vendredi, c'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas pu assister à cette cérémonie nous sommes tellement contents. La population euh, vous remercie et aussi vous euh, demande de multiplier euh, les bonnes œuvres que vous êtes en train de, faire. on demande aussi à la subhanahu wa ta'ala qu'il vous protège, aussi qu'il vous assiste et aussi qu'il vous donne la santé et la prospérité. ndaxte bu ñu amee ndox moom suñu liggéey day wàññeeku ak suñu coono ndax gis ngeen fii nii yëpp pour ñu am fi ndox avant dañ daan sonn foog ñu gaddu ay bidon pour ñu gaddu bidon vingt litres problème la kon ñun moom ñun ñoo war a gën a mun a kontaan si lii nii ndaxte fii ñu amee ndox da ngay am sa ndox fii soriwul nga ñëw root lépp ndox ngay utiliser kon nag dañ leen di wax jërëjëf yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla teral fii mu teral leen ci àllaaxira mu def barke seen njaboot mu def barke seen liggéey yal na leen yàlla yokk ba ngeen mun ñu jàppale lu ëpp lii nii ndax presque lii nii moom jigéen yi ñoo ko moom ndax ñoo moom liggéeyu kër ñoo gën a soxla ndox ñun ñooy maye ndox yi sangu ñooy sang xale yi ñooy fóotal xale yi ñooy def lépp ah ndoxu teen bi moom set na kon yal na leen yàlla fay yalla len yalla teral yalla len yalla defal xewal yu reuy yalla yokku len ba ngeen xamne lepp lo len bebet ci def lu baax ni ngeen koy meuna def ñun tam yalla yalla gën len yokku daal loolu lañu am pour wax daal bambanda ah ko kan ko ye ko ci jene ko ye ko ci jene kat Ik heb lang niet. Ik heb lang niet. Ik heb lang niet. Ik heb lang niet. Ik heb lang niet. Ik heb lang niet. Ik heb lang niet. Ik heb lang niet. Ik heb lang niet. Ik heb lang niet. Ik heb lang niet. Ik heb lang niet. Ik heb lang niet.